jungle. à travers euh, ci internet bi nga xam ne kii tey ñu ngi fii nga xamante ne mooy Tivaouane euh, fi nga xamante ne mooy centre de vote école E fi nga xam ne mooy Tivaouane ñu am koo xam ne moom lañ seet si moo jiite li nga xamante ne mooy Sénat bi avant tout dañuy bàyyi mu wax li nga xamante ne mooy turam après ñu daal di mën a ñëw ci question bi soxna si tur la. maa ngi tudd bi Diop Mbenaar maa ngi représenté contrôleur SEDA bureau numéro 2. Euh, ñu gis li nga xamante ni euh, mooy euh, élection yi ku ne xam na ni xat na est-ce que mën nga ñëw ñëwal tuuti quelques informations ci li nga xam ne mooy déroulement bi ci journée bi. waaw comme comme ni ma leen ko mën a waxee rek tey suñu bureau bëriwul nit noonu te encore en plus de ça ak amul cafouillage daal amul benn bruit tout est fait dans la tranquillité. Mm. Ah, c'était bien c'était parfait daal mm. ñu bëri ñi nga xam am na ñoo xam ne bëri ñoo xam ne dañoo xam li nga mooy Sénat est-ce que mën nga ñëw revenir li nga xamante ne mooy Sénat ak seen rôle li nga xam ne moo ñëw na nga mooy élection yi. la Sénat c'est une c'est une structure neutre on est en tant que contrôleur de l'État de la justice parce que ici, comme nous contrôleurs, on ne doit pas dire que c'est celui-ci qui est, c'est celui-ci qui est notre parti ou autre. On est neutre. Mais quand on, a, quand, quand on est dans notre bureau, dans notre, euh, dans l'isoloir, pour faire notre vote, on choisit notre candidat, mais dans la discrétion c'est ça. c'est ça mais amagu leen ci benn jafe-jafe ci journée bi. pour notre salle ça ça s'est ça s'est très bien passé. lan moo lan pour le moment ndax ku ne xam journée bi mu ngi dem presque presque 19 heures léegi jot ak résultat yi. pour l'instant ça nous reste seulement le dépouillement pour qu'on sache le nombre de votants le nombre dans dans les urnes le nombre de bulletins nuls et le, sur, le suffrage extra. Euh, comment dire je surface, le suffrage valable ça. Euh, euh, bulletins nuls yi ba mën nga pour les bulletins nuls dans une enveloppe quand on met plusieurs plusieurs euh, coalitions qui ne sont pas c'est une bulletin nul. dans une enveloppe quand on ne met aussi rien c'est une bulletin nulle. enveloppe bi ñu ko aussi.